mbokku déglukatu rajo Joko FM dal leen ak jàmm ci seen émission jàkkaarloo politique Moussa Boye cuuxkaay bi Assane Diouf fare ci xalaat gi ni ñu tam di ko defee dimanche bu jot ak seen benn gan tey nag ki nga xam ne moom la ñuy dalal moom moo di ah, Landing Mbeng moom mi nga xam ne ah, ma nga yëngu ci parti bi nga xam ne moom moo di APR ah, di jamono bi nag yore Euh, li nga xam ne bon moo di euh, pro poste premier adjoint maire bu euh, Bambilor loolu nag dina ànd ak moom ci laaj ak tontu ci li nga xam ne moo di tolluwaay bi xam ngeen ko pàcc pàcc yi nga xam ne mes na ko def ca la nga xam ne moom moo di lenn ci ay gox ci diwaanu Ndakaaru bokk na ci Bambilor googee jamono bii la nga xam ne moo di tolluwaay bi ci seen yëngu foofee ci wàllu politique itam lu waral mbir mi ana lan moo ci seen taxawaay ak seen gis-gis ndax day am njeexital ca la nga xam ne moo di doxalin beeg yorinu dëkk ba. fa ndax itam jamono boobee ah, daa andi ak xaroo ci biir conseil ba nga xam ne fa la fekk baax jamono bii ak itam lépp lu jëm ci wàllum politique li nga xam ne itam moo di mbirum élection yi ñu samp fas yéene ko amal ci gox-goxaat yi koppar ya nga xam ne itam moom lañ ca war a sàlloo pour mën caa bokk loolu lépp des na ko waxtaanee rawatina wàllum actualité politique ak li ajuwo ci biir réew mi léegi nag ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo ak mbokku déglukat yi laata ñuy dugg ci laaj ak tontu xam leen le xamal leen kan moy Landing Mbeng Landing Mbeng ñu lay nuyu di la wax dalal ak jàmm ñu bàyyi la nga nuyu mbokku déglukat yi. voilà maa ngi leen di nuyu yéen waa joko FM di rafetlu aussi vraiment daje bi ñu daje tey ci plateau bi. pour que lépp rek ngeen jógtee ko pour uniquement askan wi xam chaque fois fu ñu toll. ak lañ ci war xam. Mm-hmm. donc loolu ko trop. Mm-hmm. man nag maa tuddu landing Landing euh Bambilor le premier adjoint au maire de la commune de Bambilor nek conseiller départemental nek aussi l'officier d'état civil de la commune de Bambilor donc euh, may ko xamni 2008 ba légui bañu créer créé parti APR Mangi ci di yëngatu donc lepp fekke na côté, lepp aussi fi la ma fekk mm-hmm. mais profité aussi du nouveau vraiment tous les responsables de première heure yi nga xamné ne ñoo àndoon bi yëngu ci parti bi te ñuy xamné vraiment tay pour parti bi ag rek ci ñom la tambalé deug la nak euh, situation parti bi euh bañu ci joggé 2008 ba légui bari na ay mutation ak ay perturbations mais parti bu mag surtout parti bo nga xamné dafa opter pour une coalition Benno boko Yaakaar donc lolu nekul lo xamné ne luy yomb la mais ñuy sante yalla bi nga xamé ni amna ñu ngank parti bi

digenti bi def fi ay société privée société privée bi ma mujj def moy la SSPIA société industrielle des produits agricoles mhm. On a fa comme euh, représentant commercial pendant au moins huit ans donc zone ñaay bi yeb mako yoron ba mujj gi nak ci la commencé def mes affaires personnelles ma dugg dans l'assurance. Mhm. Donc, Bambi lor mo waraloon ma revenir fa installer fa assurance

ndax loo tàmm la wala itam loo xam ne euh, da nga koo donn wala da ngaa jekki nii rek nga xiir la ci gis ne président Macky Sall euh, mu ngay soobu di sumb ci euh, ber daaraam ci doon ab politicien fas yéene jàkkaarloo ak jamono yooyu maître Abdoulaye Wade ak njabootam wala yow yaa fekkoon na ngay def politique bien auparavant. waaw man politique nag musuma ci maanaam di yëngu benn yëngu bi mës naa am rek benn rakk bu koy def mhm. ma di ko xelal mais li nga xam ne moom daf ma dal ci affaire. Mhm. Eh, mooy bi nga presama ni président Macky Sall am problème ak Ablaye Wade eh, suma xel ñeewante ko après ma damay def ay pétition mhm. d'ailleurs au passage may gërëm di sant aussi di ñaanal yàlla suma xarit suma doomu ndey muy tey bu ndiir parce que moom laa àndaloon vraiment indi parti bi ci zone bi mhm. moom yàlla def mu des màkk mhm. donc yàlla na ko yàlla xare àjjana euh, lépp lu ma tàmbale ci parti bi wax dëgg yàlla moom laa ko tàmbaleel mm. ñoo daan ànd di dem di ñëw bon man dama toog benn jour yàlla dogal sama bureau mm-hmm. Farba Ngom ooma ni ma président dafa bëggoon wax ak yow ma waxtaan ak moom mu wax ma ne daf may recevoir ma ne ko bu ma sañoon nag boo may recevoir da may recevoir rek ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal bokk di liggéey mm-hmm. donc euh, man def élection 2009. élection 2009 bi ma koy def booba élection neexul def ndax boobu la nga xam ne ñoom la ñu participer ci élection yi muy 1 million maa ko dégagé sama propre moyen bopp. Mm-hmm. muy 2009 ma bokk ko ak euh, Bara Gueye. Euh, Bara Gueye bi nga xam ne moo dëkk Sangalkam. mu nekkoon président Benno Sigid Sénégal. Mm-hmm. man ma nekkoon vice président bi donc man def naa élection 2009. Mm-hmm. ak récépissé Mohamed Saleh. Ah, ah. donc ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord je pense que nak il faudrait que nous aussi ñu baye ben mbir xel. Mhm. mooy ñun bi ñu nekkee ci département de Rufisque. Mhm. comme j'avais l'habitude de le dire bobu jamono boobu Demba Diallo mo fi responsable bo xam xamone xamoon na responsable bu nek xamna fan la sa kër nek mhm. loolu yàlla mayoon na ko ko ndax ku ci nek dem na bëj sa kër. mais lolu volonté bopam la won mu ànd ceeg engouement ndax jamono bobu moyen amul bon donc je pense que ñuy dem di dem y avait Abdou Salam aussi bon des fois moom il est dans des boobu bon il était dans des difficultés. Mhm. on a ngi fi mais situation bi boobu temps nekkul woon situation bo xam favorable non na lol mhm. ndey si yàlla ndey tan ndey ci yalla El Mahmoud Wade qui a beaucoup contribué pour le parti vraiment beaucoup temps bari won na problème ñu doon am yo xam buñ ko ko poser won rek mu régler ko. Mhm. ndax mom da daan wax ni Macky est un messie ci mom la ko jëkk a donc paix à son âme vraiment góor la woon koo ku ma bëggoon lool Macky Sall teral ko ndax euh, limu mu daj ci moom man dama ko féké <laughs> bon donc ba loolu am bi Souleymane do ñëwé nak ci le vraiment parti bi am engouement daa yon déclic parce que buma rappelé woo bi Souleymane ñëwé la première fois ñu recevoir ko <laughs> keroog euh, kër Birame Ndoye Diallo lañ ko recevoir keroog bima ma dama né ah gaay parti bi am na gande <laughs> donc ci le déclic parti bi vraiment amee mu ñëw créer permanence ndax yàgg nañ fi amuñoon permanence alors nag euh, bu mu ñëwee alors wane dooleem wane fuggam président war a ñëw fii à Rufisque mu ñëw affaire bi raté keroog maa ngi moom ñu ngi toog di xaar président ba 4 heures du matin fekk affaire bi tas na président bi mu ñëwee li mu ko jëkk a wax mooy vraiment Souleymane li ma doon wax ci yow gis naa ko donc je pense que Souleymane Ndoye presque accession politique am foofu la tàmbalee Souleymane nag mu suñu réeroo mu suñu tàqalikoo

Ah, ci ah, précurseurs yi nga bokk ca gox ba nga xam ne moo di bambilor tey ah, yowmal falu jotu jot nga amee poste li nga xam ne moom adjoint au maire ci première fois yi la de wala ci ci dernier mandat xam nga xam nga en 2014 mm-hmm. parce que tey le maire de bambilor mi ngi regagné parti bi 2014 mm-hmm. parce que en 2014 yàlla dafa def bi nga xamee ne ñi ngi waajal élection yi duñu dajé ci benn kër kilifa mu ni ñoom daal bu ñun duñuy taxawal suñu candidature

ma réitéré waat li ma waxoon ma ne leen Omar Gueye moo ñu mën ndax ba mu dalee def ay tranga ci tund bi ñun boobu temps ñëwaguñu loolu moo waral mu gañe ñu premier tour yóbbu nañ ko fi délégation spéciale ñaari yoon mu dellusiwaat. Mhm. kon kooku. basam am na genre fidélité ak basam voilà am na fidélité ak basam mhm. donc mën daal su ma sañoon comme coalition lañu bokk. nañ dem ci ñoom ah gars yi daal di daal coow fa coow bu metti lu ne ñu yàq ma ko fa nag mm, mm, mm. mais comme dama xam ne ñoom ay novice la ñu en politique amuñu woon vision waaw man ma daal di fay ba ma fa génnee yàlla seedal ne dama dem directement seeti man ko euh, man de ministre mu ne naa ma ne ko bu ma sañoon da ngay ñëw nga ànd ak ñun dugg ci APR man nag bu ma sañoon mouvement yi duñu jiite ba ma waxtaanee ak moom mu déglu ma nag bu baax ba ma paree dana ma landing li nga wax ànd naa ci donc mu ne ma may ma ma may ko ay fan mu wooluwaat ma benn bis ma dem fa mu ne ma léegi damay ñëw APR donc moi je pense que kooku ça a été un grand succès pour man parce que nga nekk ci parti gis ko nga xam ne premier tour moo la gagné woon ci parti bi nga naxanteeg moom di waxanteeg moom ba mujj gi moo mu ñëw ci parti bi ma ma ma rafetlu ko trop ak Souleymane Ndoye sonn ci lool pour loolu am donc loolu je pense que euh, parti bi laa ko defal. est ce que loolu doon topp ci Bambilor. est ce que parce que Sangalcam Bambilor. Mhm. amoon na genre. Euh, yéen ñi ak seen wàll ñii ak seen wàll gox bi moo gën a ngand gox bi moo gën a yem Omar Gueye ak charisme am Omar Gueye également ak ay ay visée politique am sur le plan euh, local et sur le plan départemental mais aussi sur le plan national est-ce que du yow Landing Mbengue looloo la topp ba ci biir conseil municipal bi ba jamono yi dañu jàpp ne yow waaye Omar Gueye nga ci biir commune bu Bambilor. bon c'est-à-dire man dama bëgg aussi histoire am lu mu fàttali. muy lan. man manam biñuy def en 2000 biñuy def 2014 biñuy def élection mhm. man boobu temps neexawuma woon ak Ndiagne. d'accord parce que ni mu doon doxale bokkul ak ni mu doon doxale dafa bokkul woon ak man ni ma gisee parce que dama comme dafa nekkoon nit koo xam ne d'habitude sa raar mu wax la loo xam ne dina ko def loolu moo ma doon gêné. waaw waaw. loolu moom day diggante du def. non non non ci jamono boobu loolu laa loolu laa remarqué woon ma naqarlu ko aussi. ma mhm. wax ko tamit ministre parce que boobu temps ministre aussi. Euh, loo ko wax rek moom tamit daf ma daal di faire loo. dafa loo xam ne particulièrement daf la ko diggoon wala. non non non non c'est-à-dire cest à dama daan gis euh, euh, lu bari bu ñu ko waxtaanee. après moom da koy defee ni mu ko wala da ciy génn wala moom def ko ko bëggee te man bëgguma nit ku may àndal muy doxee noonu d'accord bon à telle enseigne bi nga xamee ni benn guddi ministre woo ma mu ñëw këram mu ne ma ah comme yàlla dogal na léegi ànd nañu bu ma sañoon daal ñu waxtaan yow lan nga xalaat da nga bëgg poste jiitu wala dara ma ne ko ministre mën naa ma ne ko man actuellement ni mën naa ma ne ko euh, parewuma pour jiitu mu ne ma lu tax ma ne ko c'est parce que yàlla dafa dogal ma ñëw ci tund bi mhm. ba yàgg fi mais am na ñoo xam ne xamaguma leen malgré que maa ngi politique donc su ma sañoon kii nga xam ne moom si jëmi boppam dafa am mandat mhm. nekk délégation spéciale te ñu bokk benn coalition bon vraiment mom mu jël les devant ministre mu vraiment li nga wax wax bu rafet la kon tamit bu boba yow tam da ngay jël tête proportionnel yalla proportionnelle dogal ñu def investiture bi ñu defee investiture aussi on avait des difficultés bi ñu defee investiture ba paré parce que jamono boobu tamit il faut nit ñi comprendre ni base sangal kam Oumar Gueye moko ko moomoon Masamba moomu ko Mademba moomu ku ci dugg rek moo la xajal parce que booy wax Sangalkam mooy Sangalkam. mooy ex ex communauté rurale de Sangalkam mhm. donc comme li ñu daan faral di wax. kam xaaj nañ ko. kon loolu c'est une sorte d'avertissement ou de rappel à Ndiagne Diop. en tant que maire. que ne tey soo xajoowoo Omar Gueye moo la xajal. waaw xam nga xam nga kam duñu daan mhm. wax ni. Mhm. Euh, mën nañ ko mën nañ ko éclater. mais xol yi kenn mënu ko éclater. Ah, parce que benn la ñu woon. donc logique boobu moo fi nekkoon. parce que la preuve bu Omar Gueye daan ñëw. Njaañ lañuy avisé mhm. mu mu wax ñi war a ñëw ñëpp ñëw ñu taxaw. Mhm. parce que man jamono bi may ñëw ba may ñëw fii di dugg ci àll politique bi booba temps bu Omar Gueye waree ñëw Njaañ laa daan gis mu yor micro bi. daan wax ni Omar Gueye ku ko nar a dóor bal man ngay jëkk a dóor bal avant ngay dem ci moom man logique boobu laa fekk. ma ne nag comme man ñëw naa ci tund wi lii laa fi fekk. parce que pendant longtemps il a été son lieutenant. mais oui mais mm-hmm. oui oui oui ma ne nag comme lii laa fi fekk man tam mm-hmm. damay mm-hmm. conformé wu ci ak li ma fi fekk. donc je pense que loolu moo indi woon biñu waxtané waxtaanee ba ñu def suñu liste liste bi après y tellement de problèmes. Mm-hmm. mais fekk jamono bobu mom ministre dafa tukki mais bi mu ñëwé rek problème yépp dafa aplanir. Mm-hmm. mun naa wax ni année boobu moo ñu campagnal en 2014 vraiment euh, mu doon loo xam ni euh, daf ma marqué trop parce que le fait que nga nga yilif ay nit ñu nekk ci benn commune nga ñëwaat renforcer leen. campagne leen ba ñooñu gagné loolu dafa rafet trop. Mm-hmm. alors muy lu am solo waaye euh, li ñu seetlu aussi. Euh, bi ñu demee as dafa mel ni euh, géewu nitu Omar ci biir li nga xam commune bi rawatina ci biir conseil bi dafa yaatu doonatul yow kenn euh, ñu seetlu ab jamono boo sax politiquement parlant nit ñi dañu commencé woon di di di mbiicoo mballo ci coowal foncier yéen ngeen defoon benn fronde boo xam da ngeen rek ni ngeen xëy rek euh, jàmmarloo ak euh, mair bi nga xam ne moom moo di euh, Ndiagne Diop ak ay nitam ci biir li nga xam ne moom moo di conseil bi lu ko waraloon. xam nga man dama yàgg wax naa ni yàgg naa dénigrer maire di wax ni moom toujours day def pilotage à loolu yàgg naa ko wax. loolu ñàkk am. xalaatu politicien rek. non non non dara. cest à loolu li def doo ci réfléchir. loolu ñëw rek di dóor muy marto. loolu li koy indi. moom noonu la tàmmee di doxee. quoi qu'on dise maire même si fait qu'on daf koy organiser correct ça c'est sa nature. donc nous nous yore commune bi ko on na pratiquement rien ne leen mais est-ce que du aussi le la lu lu en tant que. c'est-à-dire xam nga commune. Mhm. dafa am lu nous koy bureau. bon président de commission mais man adjoint mais je man maa ci intellectuel mm-hmm. donc je pense que tey yoon daf ko jox pour maire bi ci boppam ñu les responsabilités mais moom responsabilité yëpp de côté pour boppam. ah bon ah oui c'est comme ça. mais il y a un premier adjoint. waaw normalement am nga am nga délégation. de signature non non aw ma on aw am bureau au-delà du maire. au moment de ses absences. aw ma délégation de signature aw ma délégation aw ma délégation de signature aw ma cachet en tant que même en, en même... tant que au maire. Et, euh, comme état civil. ça, état civil bi d' parce que maay officier D'accord. d' accord buy voyager. Mhm. du am intérim. donc loolu yàgg na ci commune bi loolu yàgg na ci commune bi du tey moo tax nag euh, bima xamé xamee ni comme mom noonu lay doxee. Mhm. biñu démé nak ba nga xamné ag àgg nañu ci Covid 19 bi nag foofu la défé erreur ma ah non il fallait l'exploiter cette erreur là parce que Covid 19 dafa def ben déclaration comme quoi que mom ci bopom dépensé 80 millions ma ne ko ah loolu de boko dépasser dépensé mu ne ko bureau conseil municipal war na ko yëg ko. ah comment euh, non attends attends attends Landing parce que man comprendre moi man je pense que maire bi. Mhm. loolu xam nga effet d'annonce la. waaw da nga dem nga wax ko ci kaw. normalement avant nga kay wax. Mhm. war nga réunir ce bureau municipal. Mhm. ngeen jël une décision en interne discuter ko avant même de le présenter au conseil. waaw loolu la deful xam nga jamono bobu Covid 19 président de la République dafa génne ben arrêté mu conseil municipal yi mënuñu daje mais na bureau bi daje. mais loolu mais bureau bi nag. da bureau mooy entité minimale bi nga. xam mais bureau bi nag la dajalewul mu xëy xëy rek ma dégg ko ci presse bi. après man tam man tam ma tontu ko. ma ne ko nag loolu bu fekkee am na dama koy woy ak càcc. ak càcc. waaw bu fekkee loolu am na. waaw mais loolu laa ko mën a wooyee. fu ñu fu suñu quatre-vingts millions dugg. waaw moom mu moom mu defaat sorti mu ni du quatre-vingts million mais. Euh, manqué na parce que qui euh, euh, manam politicien les léeg na wax gonfler chiffre mané non attendez. mom mo wax ci bopom loolu wax loolu mané en tant que responsable nga nek maire amna lo xamné boko waxé buñu ko le tonto la bëgg nañ ci am léral alors biñu del dellu conseil municipal dama amna courage bu toll ma taxaw ci buntu conseil municipal bi devant tout le monde mané man les ma ngi leen di xamal ni su fekkee ne lima interpeller maire joxnama vraiment ay ay réponse d'où may rëy et gu toll ni ma taxaw devant le conseil municipal me demandé le pardon yéen ñëpp xam ne ma juum hmm. mais cela ne s'est jamais passé. mais à amoon nga amoon intime conviction que li ngay wax. dafa am fu wér foo ko parce que. comme est-ce que dindi non non non mujj ñu dindi tuuma parce que ba léegi joxuñu ma en tant que bureau du conseil je pense que loolu su amee waroon na mën a woote bureau restaurant bi mu gën a ay ay ay preuve ah, en tout cas situation bi ngeen di wax nii la c'est la première fois ngeen di donc un conseil ou des décisions pareilles mhm. di génn au-delà de la Covid mhm. ay ay décisions yoo xam day et que c'est uniquement par le trichement du maire les génne étaient yéen conseil da ngeen di melni ni dans daal di sen yone yoon ci ken yegulou len leen kenn boole xam nga loolu motax man dama japp au Sénégal sax duñu war revoir carrément le fonctionnement des communes Parce que tous les prérogatives ah du maire parce que maire maire maire bu fekkee ni mom ci bopam amul dara lu koy bo waxé man may

on a le même pouvoir mais man mën na damay romb ma ne la damay romb ay nit sax ñuy def dara ci commune mais mënu ma xam lan moo tax ñu di ko def. vous n'êtes pas informé. non je ne suis pas informé. <laughs> Eh, Assad, mais Assane loolu mës nga ko gis un conseil municipal. où le premier adjoint au maire n'est pas aux affaires. non non non je ne suis pas aux affaires franchement. moo tax des fois mën naa toog deux trois jours duma ma ñëw bureau bu ma waree ñëw bureau ma ñëw bureau mais état civil bi nga xam ne maa ko yor mën naa la ni Sénégal ba mu daj maa fi gën état civil.

ak suma tray bàmmeel rawal parce que yalla may na ma xam-xam mm-hmm. sama expérience momako may d'accord donc j'aurais vraiment voulu servir loyalement té nak j'ai été très loyal avec le maire parce que mm. comme ministre moma ma boole woon ak mm-hmm. j'étais très loyal ministre Omar Gueye waaw moo ma boole woon ak mm-hmm. j'étais très loyal avec lui mais nit bu démé ba nga xamné ne buy tukki fay def même même buy tukki sax fay def bo ay signature antidaté daté bayiko ci bayiko ci mairie bi pour après bu dara amé ñu war ko mëna def ci ci ci kii mais on comprend pas. non mais des événements qui sont pas encore à l'heure mais mais lolu amna na te dund nañ ko man dundu na ko. kep kuma dégg may wax xam na ni man lolu man duma wax. mais mais attends Landing si radio lañuy waxé waxee. moo tax wax certainement le maire Ndiagne job mu ngi ñu dégg. moo tax du ma wax du ma wax c'est c'est c'est billaahi wallahi taalaay ak suma très bàmmeel duma la wax mukk lo xam dama koy sos jamais de la vie non non en fait affaire aussi un conseil municipal à xam nga Bambilor ni nous nous le alors ay village, yu bëri la ñaata lañ sax. Bambilor 19 villages. 19 villages. Mhm. et village bu que, au-delà de le de l'habitat euh, bi nga xam habitat naturel bi am espaces espace foncier bu ngand boo foncier bu ngand dans les environs. Mhm. très très très euh, convoité par n'importe quel Sénégalais parce que zone bi ni mu euh, c'est une zone qui euh, xam dafa surtout en en terme de pluviométrie déjà nous daw di mais nous sommes bëri dañu doon accuser euh, le régime sortant du temps de Sangalcam bi nga après Bambilor en tant que commune commune de plein exercice que ne dafa am souvent ay conflits d'intérêts qui foncier bi dafa am ay caxat-caxatee c'est confirmé wala loolu waxu waxu mbedd la waaw xam nga man euh, toujours damay faral di wax euh, sama interview yu bëri euh, mon seul problème aujourd'hui dans la commune Bambilor dans le cadre du foncier mhm. duñ mu ci mos sa dugal musu musuma fekk benn réunion bu ñu ma convoqué pour affaire foncier <laughs> donc ñoom duñ mu ci génne complètement lu tax encore une fois plus dama koy sant yàlla aussi parce que kenn éviter na la ay affaires kenn mënu ci wax ni kenn mënu ci wax ni par exemple euh, parce que moo waral buñ ma ci lajé toujours tamit ma ci faral di mandu parce que nit aussi tamit boy wax tamit bul sos sos baaxul da ngay wax toujours lo xamné bu fekkoon da nañ ma convoquer réunion conseil domanial kon tay amna ci lu bari dina ko mëna wax mais mosuñu ma convoquer réunion conseil domanial man dal dañuy réunion day jot rek peut-être euh, maire bi daal di woote bureau bi mu ne voilà war nañu def conseil et puis c'est terminé expliqué parce que moom ni muy ni muy ni muy ni mu daan jëlee mbir mi toujours def ko daan jël à la sauvette daf ñuy day bàyyi ba jour J bi mu woo ñu fekk ñi ngi waaj a wàcc pour def conseil rek mu taxañ affaire bi informé ñi et puis c'est terminé mais dans la mesure où man dama nekkoon ku nga xam ne tamit xëy na bu fekkee ne damay yëkkati wax tamit wala coow bu boobaa damay dem ba mujj gi sax damay marginaliser sama bopp mais maintenant il fallait attendre un moment opportun parce que nit buy def loo xam ne du ko teg ci yoon yàgg-yàgg day juum mm-hmm.

ak li ñuy parce que. est ce que est ce que aussi parce que là est ce que aussi c'est pas parce que. Mm-hmm. dafa am nga les partisans du ministre Omar Gueye. Mm-hmm. a ay souf ci ngeen di pour askan mais bu faites def ko bu ma mm-hmm. mais on peut comprendre. d'accord mais les ma avéré. Ah, parce que faut vraiment la ah, oui la fa may fort parce que sa tuuma ba léegi ñoom dindiwuñu. déedéet donc du parce que da ngeen da ngeen. da ngeen farak xam nga lu bon ci responsable. oui perturber loo xam ne ko teg ci ay. ci ay argument d'accord parce que man wax naa la nee taxaw naa bunti ko ci conseil ma wax ni mes collègues conseil suma maire bii toog ay les qui a 80 millions c'est avéré mais je retire mes mots. mais pourtant en, campagne électorale comment est-ce que vous fonctionnez yow nga bokk a euh, ngeen à payer il a également pour euh, commune ngeen par exemple si la présidentielle le référendum comment est-ce que vous êtes organisé pour avec ces dissensions cette distance hein? Euh, c'est euh, voilà ces petits trucs. non xam nga xam nga politiquement pour mën cohabiter. xam nga li lépp pratiquement ñom créé parce que moi je dis qu'aujourd'hui, euh, c'est dommage qu'on ne m'a pas rendu ma monnaie au niveau de la commune de Mabelor. c'est-à-dire parce que man fait une indi parti bi ma facilité lépp yaa may dégg. Mm-hmm. Ndiagne yóbbu nañ ko fi délégation spéciale. en 2013. Mm-hmm. arrêté bi je me suis battu man Souleymane Ndoye ak le ministre.

d'accord Parle pas par par ça entre-gens. Ça entre-gens entre-gens ministre bi ak Souleymane Il d' accord donc à trois vous avez démarché mais tout à fait. Mm-hmm. parce que c'était pas joli. Mm-hmm. en tant que un un un responsable nous avons beaucoup ci coalition. Benno Bokk Yakar, nekk ministre beneen ministre beaucoup fragilisé fragiliser c' pas normal. d'accord et vous avez fait bloc autour de Omar. mais tout à fait ok donc je pense qu'aujourd'hui mm-hmm. euh, histoire bi faut la jógee. bi nga xamee ni loolu am bloc est resté. Parce que Diomano Bobo, un certain Moustapha Khan qui était, qui était pharmacien, qui aujourd'hui dans le groupe du maire, mom le nous mettre en place pour mon délégation spéciale. Parce que quand je me au que là, je me demande ce que vous ni mënut a dem ndax président modèle delloo nit ñi délégation bàyyi leen ko ñoom man du ma ci sama toujours loolu ñëpp xam nañ ko. da constance. waaw waaw def constance. d'accord donc je pense que loolu su fait am mhm. même bu de demee ba ba maire. ak euh, moom maire ci boppam mu dem mu mu gis ni. xëy na ci boppam li ñu ko joxoon moom rek moo ci doy boppam mais dafay am moment boo xam ne nag nit ñi dañuy taxaw. parce que nit bu ñu la joxee benn collectivité locale mais da nga koy gérer collectivité. mais mais soo nit ñi mooy ñan mooy yéen onze yi. xam nga ñun onze yi. Mm-hmm. yi yéen onze yi leen dara ngeen de. non bi ma bi ma soulevé. parce ci kanam dinañu ñëw ci beneen. beneen onze yooyu dama leen di gërëm. parce que lu mm. ma leen di bi ma soulevé woo duñ ma ni tekkiwuloo dara. ah déedéet waay. ah si loolu ma wax. premier adjoint au maire. waaw waaw xam nga ñoom xam nga lu lay wan ni la ñoom. xam nga lu lay wan ni lay wan ni xamuñu luy premier adjoint. Mhm. kon keroog dinañ def conseil municipal pour voter nit ñi di chercher pour attaquer ma te may institution. waaw maire nga <laughs> mais quand même quand même il faut le reconnaître quand même mais quand même. du premier au troisième. oui mais ay maire Oui, mais oui oui. même les présidents de commission sont des maires. rawati nag maa fi indi parti bi. c'est ça. donc man icône là, ci parti bi. donc je pense que euh, le su amé ça veut dire que quelque part amna lo nga raté lan nga raté en matière de de charisme de posture euh, de de présence mais également d'élargissement de base euh, devant ces euh, partenaires politiques au point que voilà le maire gagne crée ben genre donc entonnoir bolé bolé ci ñi mu. waaw xam nga xam nga aduna li may wax toujours nit bu la yàlla defee ngeen daje te yarandoowu leen màggandoowu leen mhm. euh, soo bëggee ni ko par force da ngay am ci man confiance loolu jaaduwul. Ah, c'est vrai on ne peut pas créer. donc j'ai donné le temps. Mhm. parce que man dama ne woon Ndiagne su fekkee ni yàlla dogal na doon na maire parce que Ndiagne c'est moi qui a désigné pour que wax ma wax ni moom mooy suñu maire ah. ah bon ah oui après deux trois jours de campagne kenn nangul prononcé wu ñu dem cité Mbaba gis yi ma jël micro bi ma ne attendez il faut qu'on soit clair. mais boobu ana Modou Sall Diop. lu tax jëloo ko moom non déggoo Modou Diop. Modou Sall Diop. Mm-hmm. avant élection dama ñëw seeti ko ma ne parti bi maa ko yor mais yow laa bokkal dëkk Bambilor su ma da ngay ñëw ma jox la parti bi nga jiitu ma topp ci yow mu man mosuma gis politique ku ci yëwane noonu ma ne ko non situation bi moo ma. yëwane gëmu waaw ce qui ko gëmu ko ko situation bi moo tax ma wax la ko mais bu yaakaar ne yéwal la donc situation bi ma war a tëdd noonu mu ne ma daal c'est prématuré ma ko déet kon yow xamoo politique ban lan lan mooy woon situation bi jamono boobu non c'est-à-dire jamono boobu li lol loolu c'est parce que man maa yoroon parti bi. d'accord mais déjà dama faraloon di dégg quoi ñoom ñuy wax ni way ki yor parti bi même bu ko yoree timide cosaanoo wu fii. Ah, dëkk fii d'accord alors man non d'accord man ni non man ni non je pense que problème bi si li ma comprend. man non dafa am ay postures yoo xam ne. c'est des considérations subjectives. mais tout à fait et c'est erroné. yu jëmmal ay nit. c'est erroné. fekk nit ki man man mënam ak Pastefam. c'est erroné dañ ko war a jàppee loolu dafa erroné. Mhm. parce que quelqu'un qui a pris le parti en 2008. Moi, le parti je l'ai hébergé dans ma propre maison pendant quatre ans qui était la permanence ma jël sama waa kër yëpp ma yóbbu leen fi ma dëkk ma jël fi ma dëkk ma ko permanence qu'est-ce que j'ai pas fait pour ce parti je l'ai vu naître man marco ferrer marco ferrer bon fexe ba mu màgg. amul kenn ku koy contesté jamono non personne man la avant yow. personne kenn laa ko bokkaloon man la dem si et c'était lex de Sangalkam. oui nous nañ fi benn jour nous woote j'étais le coordinateur madame dem Moma, moment Barry maa ngi rappelé au passage Malick qui était à Noflay muy muy ni coow bu bëri après ñu ni non ma leen non attendez parce que jamono boobu damay animer parti bi fek amaguma comité ma comme li le ma ne damay tek sama ndomba tang, delo naa ko. parce que amo base parce que amoon comité bobu d'accord parce que bobu li intéressé won dama daan jël ay carte sax di dugg ci kaar di maye carte parce que bobu dama bëgg ñu xam koy Macky Sall. d'accord bi ma demee nag ba nga xamné tek na naa bi alors ma dal di dem waxtaan ak population yi dal di créer comité monter comité. commissaire euh, Fall Ndeye Fall daal di ne ma parti bi bagasi nañ bi nga tegee bagage yi ba léegi dara doxatul ndaxte booba nag da ngay lam poste pour doxal parti mhm. mu ñëwaat ci man ce qui est très coûteux pour un politicien mu ñëwaat ci man mhm. ma dajalawaat nit ñi ma waat bu mag ci bambi lool keroog mat nañu presque trois cent personnes law daanaan la loo daanaan wootee sa xaalis sama xaalis non keneen du ko rax sama ba ma ootee nit ñi yandu fa ba ngoor ñu ni duñuy wote benn waaye bu ñuy wax euh, bu ñuy wax jibeeru ma nga dëkk ma nga dëkk ma nga dëkk bënn ba mooy jóg jël parole mu ni mhm. na leen waxante dëgg ay nit mbooloo mu toll nii ku leen mën a dajale indi leen nga jox leen añ ñu añ nga jox leen ataaya ñu naan nga jox leen lu sedd ñu naan xam nañ ni kooku moo leen mën a jiite mbooloo ma tas jur boobu laa reprendre parti bi te ma xamal la dara man bi ñuy jub élection bi ñuy jub bi ñuy jub élection mhm.

parti au pouvoir kon les quatre en importance. donc c'est comme ça que j'ai conduit les élections euh, mais moi ça Diop ba beaucoup hésité. Mhm. après finalement. ci xam vous hésité. oui euh, alors man ma bàyyi mais là je ma parce que nous avons eu l'élection. élection fekk jox sama accord ministre de ak mon une forte délégation. ah le ministre ak ils étaient encore en. non non non le ministre avec gagné bon c'était son lieutenant ça il faut. ça bon les est venu alors le mot job une forte délégation fait que c'est ma sama à Bambilor ñu waxtaan ak man ñu Bambilor nga fi nga nga non c'est trop tard. parce que parce que donc c'est ce qui a fait que. est-ce que tey da dans le il y a une sorte de trahison par rapport à le pacte moral bi a signé il ak le ministre Omangei en étant celui qui est le précurseur donc. Euh, non moi moi moi moi pour ce qui est du ministre je dis que il n'a jamais dérogé à la règle. parce que l'autre le ministre a un grand cœur parce que man lu may wax rek dama koy dama koy dama koy. dëgg ndax euh, maa ngi rappelé wu bi nga xamee ni bi nga xamee ni bi nga xamee ni. Mm-hmm. alors euh, euh, def ni élection législative bi ma demee ba leerlu li ma Mahmoud Saleh wax ci ni président waxoon na ci hélicoptère bi ni bi ñu jógee bitinti Omar Gueye wax na lii. Mm-hmm. alors j'ai pris mon courage à main devant tout le monde au niveau de Lac Rose lors d'une réunion. Mm-hmm. je me suis levé pour demander pardon au ministre yomi billahi wallahi taala ma ko ministre bi ne naa ma ne ko maa ngi lay baalu loo juumee woon bay baalu mais déggoo li ma la wax ma la parce que njëñ def ñu indi loolu en erreur comme quoi que euh ministre ci bopam mom mo dindi candidature am bañ ko waree def waaw député député waaw man tam ma gëm loolu pourtant il a il a continué à à nourrir ça déggloo ma gëm loolu mhm. top loolu accompagner ko ci bam nek député et c'était pas le cas non c'était pas le cas parce que li may wax ni ci radio lay wax de Mahmoud salem momako wax directeur de cabinet du président de la république mhm. momo wax ni ma ci bi ñu duggee ci hélicoptère bi jógee bitinti le président la république Omar Gueye mi ngi koy rappeler la candidature de Ndiaye Diop. ah oui billaahi wallaahi taala alors que moom. Ah, mais ci ci considération yi dafa jàppoon ah, xam nga Mahmoud Saleh. dafa jàppoon ne Omar Gueye moom Mahmoud Saleh kilifa gu toll na xam nga du ma ko sosal. pourtant d'aucuns disent que. waaw mais c'est pas ça dans l'entourage de. non non ça ne au niveau du palais c'est l'entourage de de de Mariam Faye Sall la première dame. ñoom ñoo ñoom ñoo porté la candidature de Ndiaye. et et et vous vous rappelez vous vous rappelez à l'époque euh, je me suis sacrifié pour faire une sortie pour dire que kenn gënu ma ko yey mais président maa ngi lay demander cër bi nga jox ko parce que boobu temps. ah ngay insister. wa mais loolu loolu la ñu amoon loolu comme information C'est par la suite la ma y dimbali ba Mouhamadou Sall leeral ma loolu moo tax nag j' pas hésité à demander pardon. non mais xam nga luma jaxal euh Landing. wa comment se fait-il que en fait munu ko inventé. parce que pour man c'est souvent ay bruit de couloir est ce que c'était pas quelque chose de projeté dans, dans, dans l'entourage de Omar Gueye. Il fallait s'y préparer. Parce que gagne également, ben instant, il était devenu quelqu'un de très agité. Le fait d'être député maire le rendait davantage beaucoup plus puissant. Est-ce que nous nous entre quatre murs que finalement nous fuiter avant que la, posture et la position ne changent qu'une fois que l'information vient au palais Non, mais tu sais, hein, non, moi je pense pas. Parce que ah. Mahmoud Saleh, je le connais très bien. D'accord. Maintenant, l'amendement ma porte sa liste en 2009. Oui je le salue au passage. D'accord. ñaanal aussi vraiment posture du mu mhm. confiance président un ça ne date pas d'aujourd'hui mhm. donc euh, bon mhm. parce que des fois mais quand j'ai demandé pardon alors le ministre m'a dit vraiment euh, personne ne saurait dire vraiment les et moi je te pardonne. d'accord. Euh, il a pris de bon cœur. mais oui parce que pourquoi il a pris de bon cœur. 2019. Mhm. oui euh, à Diop que en politique ce qui est valable le matin n'est pas valable le soir. ah waaw. ça peut changer à tout moment. mais s'adapte. Mhm. le matin députation mais ngoor gi nak président de la république mo wara nek président motax ñun ñepp nañ bolo doon ben jàppale Omar Gueye pour président nekk euh, gañawaat deuxième mandat c'était en 2014 euh, en 2019 2019 bi passé mm-hmm. bon ñagne bokku ci man gis-gis mu ne mom d'accordul ci lolu alors bi mu ne d'accordul ci lolu man ma daal radicaliser parce que ma ne ko man nak fi mu ne sama patron moy falu muy président de la république Omar Gueye est prêt à tout faire pour lolu am donc man nak vous faites que yow gisewuloo ko noonu ah man damay jël sa. lan la cest euh, problème au conseil municipal même faites que j'ai été toujours piétiné aussi à ma courage chaque fois su ma bëggee jël. sa c'est une liberté rek mm-hmm. parce que l'élection c'était la même chose c'était en 2019 2019 je ma organisé fii récital de Coran qui a fait sa déclaration. bi ma fait déclaration mais quelques temps après j'ai eu un accident. mystiquement Marie de Diouf. ah Mboro laa accidenté. Hein? huit mois tëdd naa mais mystique, mystiquement. Non, ça a été mystique. Quand on dit accident, accident, c'est. Non, accident, le mec, des, on est des Africains, on est des Africains, on comprend. Vous avez Max accidenté, tu l'as eu. Mais, mais, j'espère qu'indexé au local. Non, indexé au local, mais je sais que euh, c'est des choses mais je ne veux plus même en parler. C'est pas un hasard, quoi. Parce que, parce que, bima accidenté, j'ai eu la chance, quand même, film, film accidenté, bima demé hôpital. Toute la prise en charge a été faite par le ministre. Omar Gueye. Oui, mais c'est une reconnaissance. Encore une fois. Oui, toute la prise en charge. Mais Hassan, après, nous voulons nous mettre les gens, si nous voulons Gomlo, ou la Wedi Lom Kene, Landing avec les 11, c'est des gens de Omar Gueye. dans, dans le conseil de, de Bambino. Il est toujours présent. Toujours. Man, man, il y a chaque fois que nous avons C'est parce que Omar Gay est lié. Alors que lui, il est de Sangalkam. Omar Gay est, est lié à l'histoire de Sangalkam. C'est ça qu'il faudrait comprendre. D'accord. Il y avait une seule personne morale, une personne constante président Macky Sall bi muy négocier ak Sangalkam mais Omar Gueye le négocier négocier wala ma Demba ak ma mais quand une commune devient une euh, une commune de plein exercice il devoir am des coups de franche. mais je suis d'accord mais il y a l'histoire il y a l'histoire aujourd'hui qui montre que kam Sangalkam dañ ko dañ ko phagocyté. oui mais Sangalkam xol yi ak ni dem lanté ñoo bokk lépp l'ex-communauté rurale de Sangalkam ndax tay bu nit dee fulé dén ñu dem bu nit dee ñag ñu dem bu nit euh ah, c'est vrai que c'est une seule communauté rurale qui a été c'est spécifique. Oui, C'est spécifique. Oui. Donc, on avait eu la chance, mon mm -hmm. manager, mhm. parce que quand on Gueye venait... Et cela est resté dans les esprits et dans les cœurs. Mais, jusqu'à présent, aujourd'hui, hein, le ministre qui était... Mais, même si quelque part, hein, je, me souviens, surtout en 2016, mhm. euh, lors d'un meeting euh, de, campagne électorale, euh, pour préparer le local, alors il y a eu la, bataille, la fameuse bataille, qui ben, ben chapiteau, euh, waa kër Omar Gueye en fait un des des gardes-corps de Omar Gueye s'en est pris à un des gardes-corps de Ndiagne et il y a du des démêlés gars yi génn ak ay. oui oui incident la mais incident c'était dans le même parti on a essayé de gérer ça bon au niveau euh, au niveau. est-ce que c'est c'est lié à ces à ces à ces distances. waaw xam nga man euh, chaque fois. ces frictions entre les comme man maa créé une parti bi toujours dama don dox ci diggante maire toujours ak euh, ministre pour ñuy gën di rapprocher ça je l'ai toujours fait. d'accord donc euh, euh, suma ci défé ba wax ba ag ci fi ma war ag mais xam nga ce qui était ce qui ce qui était un peu dérangeant même des fois dañu dem ci ministre sax ñu waxa waxa wax ba vraiment convaincre ministre bi mais le lendemain euh, maire daal di ñu doxale neneen lu bokk la ñu waxal parce que xam nga nit da ngay fonk sa encore une fois. non non non c'est c'est un habitude de faire moom lu mu la wax tey après il fait autre chose le lendemain ça moom c' est une habitude. mais est ce que aussi du. non je l'ai ai vécu de l' opop sur sa personne rek hein? je l'ai vécu avec. parce que am ñeneen aussi. non je l'ai je l'ai je l' ai parce que aussi da nga nekk ak Omar Gueye. je l'ai non non non je l'ai vécu avec lui. Uh-huh. maintenant naa la ba tey lay guñal Serigne Touba même ma oh, oh, oh. duma la wax luma dundul. manam pour social ko. Mm-hmm. déedéet toujours ma wax ko ni ko kenn gën la baax parce que mbaax go gis na ko ci mom mais nak dese lu nga xam sama dama ko gis leneen ci mom dama koy wax parce que nit qui aussi tamit man gisuma fi lu fi ragal nit ben mako mak fouf. donc pourquoi ma koy sosal. alors est-ce que mo bëggoon ben laaj euh, ku mel comme Pape Sow. waaw ku mel comme euh, euh, la dame là Fatina parmi les onze. kan kan kan ki kan ngay wax ay pël. pël la la dame teint noir. waaw pël gay pël gay voilà pël gay. waaw ak Baye As. Mm-hmm. est-ce que ñooñu ñëpp c'est toujours dans ce même sillage dans ces onze les gens yo xam tout le temps dañuy am intention di bëgg mhm. le maire Ndiagne préféré. defar sans sans ñoom xam nga xam nga Baye As moom le deuxième adjoint maire. oui Pape Sow sax bokk ci parce que Pape Sow c' un promoteur. D'accord. vrai que c'est un responsable politique un gosse vraiment extraordinaire. que je mhm. salue au passage. Mhm. Euh, mais moom du politique. d'accord accord du kii du du du conseil. du conseil politicien d'accord accord waaw kon on nañ ko. bëri ñu dellu si ci ñu si responsable c'est le président de la commission culturel, D'accord. Mais est-ce que Moussa exerce On ne lui permet même pas d'exercer cette commission-là. Donc, il y a une belle mission non, pour le conseil municipal. Non, c'est-à-dire, euh, mission, c'est-à-dire, je suis voyage pour, pour, pour, le, pour, le, pour le compte de la, de la, de la commune. D'accord. fait. Mais ça. ça, c'est à décharge du maire. Oui. D'accord. À décharge du maire, c'est tout à fait normal. D'accord. Il mm Mais le fait que, par exemple, commission, parce que moi, toujours dans ma les commissions là, nous ne sommes pas autonomes maire bi di organiser chaque le 5 du mois il convoque les présidents de commission avec le bureau du conseil municipal pour nous def la situation pour nous mën vraiment une feuille de route par rapport à ce qui est en train d'être fait dans la commune mais mënul dem rek mon rek rek mo nek gauche mo nek droite mon nek x mo nek y bañ quand le maire n'est pas dans la vous voyagez, maire bi maire bi day <laughs> alors euh, on en vient euh, au découpage. Mm-hmm. lan on découpé non découpage bi yëpp lañ découpé. parce que pour yëpp lañ découpé ancienne Sangalkam bi lañ pour man découpage pour man découpage amul. ah lan moo am. correction moo am. bon leeral sama parce que président de la république dafa clairoon nee na ñëwu fi pour di découper ay communes mais nag day corriger il a dit je pense à Diamniadio dernière sortie il a cité le cas nommément de Sangalkam Sangalkam a été phagocyté nous avons avec le PDS on lui a laissé un kilomètre carré au moment où Bambilor se retrouve avec 159 km vous trouvez ça raisonnable. Ah, quand même donc l'histoire a fait que acteurs du ko les mêmes acteurs là ni ni ni ne lañ ko ni ni di xeexal ñi nga xam ne ñoom lañ ko defoon parce que ñoom ñi ñoom ñi ko defoon dañ était dans le lot à l'époque c'était le vice-président ñu nekk Sangalkam ba Malick Ba gaañu fi Malick Ba bi mu gaañoo président de la République bi mu ñëwee jaale si ko mais j'étais président bi muy wax ni Omar Gueye bu ma yoree réew mi Sangalkam gii ñu nangu ci yéen dinaa leen ko delluwaat c'était une promesse c'était une promesse et il fallait tenir ça aussi mais tout à fait donc je pense que au-delà du compagnonnage bi am ci Omar Gueye ak kii nga xam ne fu mu toog. day wayal président de la République. tout à fait mm-hmm. donc mm-hmm. je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, président doit corriger loo xam ne daf fi amoon ndax tey jii ba léegi may wax ak yow euh, sàngal euh, Mbambilor Sangalkam même malgré <coughs> correction bi malgré correction bi ndax correction bi Mbambilor tey mi ngi 72 soixante douze kilomètres Sangalkam est cinquante neuf Donc, donc moo ko 72 59 waaw donc ce qui veut dire que correction bobu nak je pense que lolu dafa nekkoon lo xamni président daf ko waxoon te def nako même mais promesse bi ak période bi mu koy def. mais wax mais waxoon na ni waxoon na carrément ni bla ñu koy mën def il faut ñu juk élection. <laughs> mais mais. raison de plus non non non c'est-à-dire. raison de plus man man man dama gis ni dama gis ni dama gis ni par exemple euh euh def bek ñàkk def jotewul dara ak li nit ñi nara def bu ñuy voté. ah bon ah, mais yow xam nga ni Sénégal nit ñi voté kenn moomu leen. mais non attends man léegi si sama raisonnement bu gàtt je suis pas intelligent mais je je vais essayer quand même si sama raisonnement bu gàtt su fekkee ne da nga corriger entre 59 et 74 n'est-ce pas. Mhm. nga corriger euh, espace géographique bi. Mhm. Euh, le espace territorial. Mhm. bi nga xam les deux entités les deux communes moom la ñu am. Euh, population bi confi fi day nekk fi électorat bi nekkoon fi day nekk fi donc l'électorat payé en faveur de Nguyen Diop lorsqu'il avait encore cette même commune bu est déplacé ouvert au Omar Gueye mais day et ça va s'ajouter à l'électorat mais autant pour autant pour ses adversaires dans Sangalkam que également pour pour pour la jauge politique dans le parti mais damani est-ce que vous xam nga comment ça s'est passé les élections de 2014 lan moo ñu gagné 2014. laaj naa la ko xaw de je suis même pas militant de. E. élection de 2014 xam nga lan gagné ko. tax ngeen gagné mais Kër qui fait partie de Bambilor. on avait perdu tous les bureaux de Bambilor tous les bureaux c'est Moussa Diop qui avait gagné. Moussa Diop même. maintenant avons gagné woon Bambilor. l'ami entre guillemets dañ gagné woon Bambilor. <laughs> il, a sauvé la mise, quoi. Mais si c'était pas Diallo, mais c'était fini. On ne serait pas aujourd'hui devenu maire. Hein. Ça, il faut oser le dire. Ça allait tomber entre les mains de qui De l'opposition euh, Mais certainement. Non, de le job Ah, d'accord. C'est clair. Oui. Parce qu'il était la deuxième personne. Parce que même, il avait fait tendance. Mais il avait fait tendance, avec une forte tendance. Oui. L'inco gagné, c'est minimum. C'est Diallo qui Et là, tu, fait, il y a nous quand mais et cela euh, il a été décroché par le ministre ah oui le ministre m'a décroché c'est lui qui a parlé avec pour les convaincre parce que bon, ils étaient au PDS mais quand même c'est l'histoire ça oh Et aujourd'hui, euh, bon, on, préfère, malgré tout faire la correction à quelques Si pas le ministre, nous Souleymane Ndoye ngi may dégg responsable yi ci département bi yépp ngi may dégg waa kër njaayloo ngi may dégg su dul woon kër njaayloo dama la wax ne duñu gañe affaire du gañe commune bu Bambilor mais le ban impact la am le président de la république. déjà les déjà li lay li lay ni je pense cinq cinq villages. trois trois li lay ni affaire bi ko ci da mais Kër mais Assam qui le deuxième adjoint maire il n'a même pas de bureau il n'est même pas considéré pourtant moo tax ñu est-ce que y a non du pour wan la rek problème malaise de vivre. mais j'ai l'impression que dans votre esprit. Mhm. il y a un espoir que les nuages vont se dissiper il y a un éclairci du ciel pour l'air affaire le découpage non c'est-à-dire espoir. c'est-à-dire c'est-à-dire lan impact lay sur l'organisation attends ma terminer sur ma question. Mhm. dans l'organisation administrative véritablement donc des deux collectivités. Mhm. mais également bon politiquement yow y a une wul dara ci électorat bi. Mhm. <clears throat> maa jégalu mais bon impact lay am également économiquement parlant parce que quand nañu ne les réserves foncières yi n'y yi que Bambilor peut-être si on redécoupe une partie va revenir à la commune de de Sangalkam.

nga daal di dem cité cité cité cité cité cité cité kii comment s'appelle encore Doudou Bass nga ñëw ba foofu nga duggaat teri nga dugg nga doog a dugg nag territoire Sangalkam nga traversé Sangalkam nga génnaat encore nga duggaat Bambilor. incohérence territoriale il faut corriger. dama la wax ni tey li Bambilor jot. Mm. li Bambilor yor. Hmm, nga xam ne moom mooy surface am si réellement am na ay nit ñu nga xam ne laa la wax de. Mm-hmm. Ah. amna na lu nga xamné tension peu nek na ci sen bop dama la wax ni dans deux ans mbaam loolu mën ag fu mu ambition la laaj. yaa may dégg. ak ak bi mu. bi même même taay bi il faut être ambitieux. pourquoi est-ce qu'on n'a donc pas laissé hmm. en à à à l'État Sangalkam pour continuer à être ambitieux. dans le cas de figure. comment laisser comment laisser Sangal. mais da nga ne tey ak taay bi. non dama la bëgg a wax ni maanaam xam nga ñoom xam nga ñoom xam nga ñoom des fois nekk di wax naan. et d'ailleurs la le maire Ndiagne Diop a dit mais autant. Sangalkam ni mu toll noonu moom la ñu war a rattaché. ci ci Sangalkam naka lay nekkee chef lieu bu nga xam ne depuis depuis depuis depuis depuis jamono. communauté rurale Sangalkam a été toujours le chef lieu de la communauté rurale Sangalkam c'est c'est c'est une communauté rurale Sangalkam, c'est une communauté. Mais avec la, la communauté, tu sais que communalisation Sangalkam, intégrale, tu sais que, toutes les communes tu sais que, étaient devenues de plein exercice. D'accord, mais Sangalkam a été une communauté rurale phare. Parce que, bini, bini, bini, bini, bini, bini, bini, bini commencé à créer les communautés rurales, même l'on dit accès de Koutan, du coup, test. Donc, Sangalkam a été toujours une, une, une, une communauté rurale phare. Parce que, Sangalkam, qu'on le veuille ou non, c'est pas moi, parce que bon, n'est pas politique. Mais le président, de l'ancien président de la communauté mhm. il a fait un travail extraordinaire dans l'ex-communauté de Sangalkam, dans le cadre de l'éducation. Tay hein? Le terrain dont on parle de Bambilor, la cité Omar Gueye, pour une première fois, une cité de Konit. Tout Non, il y Non, pas des promoteur, une nous devons venir parce que les waral parce que loolu gens la jeunesse. comme nous avons fait. non non non la jeunesse daf leen octroyer ay terrain yu en reconnaissance ñoom ñoo ko fallu mais ah, d'accord tu dois te non non non parce que lam leen ko joxone motax ñu tuddee ko cité Omar Gueye. mbay fatali mbokk yi ne yeen seen émission jakarlo politique Moussa Pouye nekk ci kay bi Assane Diouf fare ci xarala gi dese nañu juroomi ay simili ah, ci ah, bileb émission man ngeen dugg ci 88 628 0013 88 628 0013 ngeen jakarlo ak suñu gantay moy Landing Mbengue mi nga xamné moy premier tofo adjoint maire bu ah, Bambilor jamono bi ñuy waxtaan ak li nga xamné modi moo di bi té tollu ci point bi nga xamné ne modi découpage bi alors ñu jëplu ci ay élections locales le 22 su ma juumul le 23 su ma rectifié euh, janvier 2000 2022 coow li bëri woon lool dina ko amal du ko amal dina ko sañ du ko sañ finalement le président génne un décret alors c'est de convenance par rapport à les les visées politiques de l'APR voilà parce que ku jégi comme dañu si yàggoon di wax nañu chambre fichier dañ chambre fichier finalement il fallait se décider et le président Macky Sall s'est décidé la ca sur le gâteau moins 10 millions de francs CFA pour me participer pour me candidater votre avis sur ça bon de toute façon pour le moment les 10 millions ne sont pas officiels oui parce le ministre de l'intérieur a eu à faire une sortie pour clarifier ça oui Alors depuis temps Aliou mais peut-être que lolo ñëwagul euh, dans sous peu de temps alors la date fixée donc bon la date fixée man dama dis toujours ay nit ay ñaari nit bu ñuy xëcc fii kii di xëcc fii euh, kilifa gi nga xam ne moom moo war je pense que bu tranché ci digg bi rek loolu man dama gis vraiment jaar na yoon. kilifa gi maanaam le président parce que le temps vient décembre mais pratiquement il y a pas grand chose. mais il vous a fallu tout ce temps. non non non c'est-à-dire. depuis la présidentielle aucune élection n'a été tenue malgré les. xam aussi le dialogue national le dialogue politique xam nga euh, il faudrait comprendre que opposition moo demandé vraiment pour que l'audit du fichier soit fait bon bi ñu leen bi ñu ko demandé fekk si nañ ci mais loo gis lu nekk tamit euh, bu ñu koy def dafa am ay parce que bu ñu defee li ñuy def ba pare dafa laaj évaluation ñu dajalawaat nit ñi donc loolu lépp aussi processus là donc je pense que processus boobu moo waraloon xëy tant que demuñu woon ba nga xam ne conclusion yi am na xëy na borom réew du ci wu mais comme prononcer wu na ci la date je pense que war na mën a arranger ñëpp hein. le 22 bi waaw 22 bi war na mun a arranger ñëpp. 22 22 waaw 22 bi war na mën a arranger ñëpp su fekkee opposition pare nañu man gisuma entre décembre. ah parce que yéen léegi pare ngeen. ah non du ñu mës a pare naka jekk. ah bon waay waay du ñu mës a pare parce que aussi nit boo nekkee ci pouvoir te mu wóor la tamit li ngay def yaakaar nga ni loola. Euh, vraiment wóolu nga ko mais da nga war a pare. ah yéen wóolu ngeen seen bopp. ah oui wóolu si oui wóolu wala. waaw non wóolu suñu bopp. wóolu euh, l'affaire suñu Sonko. Mhm. l'affaire Khalifa Sall. Mhm. l'affaire euh, d'ailleurs les gens disent que. Mhm. Karim récemment un des responsables du PDS. toog fii. mais Karim va revenir et il va faire de sorte que il va remporter la.

te li ma lay wax ni yaa ngi ci département bi maa ngi ci département bi. incha allah moo ma ci dugal moo ma ciy génne parce que man dem naa ba nekk mag dogu politique donc accident de parcours la ci man yàlla dimbali ma ma dajeek ñoo xam ni ñu baax vraiment bon ba yàlla dogal li mu dogal moo tax man euh, dama xaw a wuuteeg nit ñi ci lu bari. fu fekk coowal coowal mbedd mi. fi la ma fekk fi la ma fekk mais lu mënul woon a la parce que contexte bi la parce que tey. Euh, dafa am loo xam ni su fekkee dafa am ci réew ñu téye nit ñi des fois mun na jur loo xam ni nit ñi du ñuy jàppee ni sax nangam moo ko waral fekk déedéet parce que nit moo mel noonu parce que fii secteur informel bi dafa nekk loo xam ne dafa am doole te seen lépp ñu ngi ko teg ci seen tànk donc buñ leen tënkee rek benn jamono bi rek c'est vrai que depuis depuis les rues de Dakar. Ah, voilà il fallait changer la ville la capitale. Mais, comment comment les choses sont. récemment euh, comment les choses sont revenues à la normale donc de subir les affres de. comment les choses sont revenues à la normale. alors est-ce que en espoir dans hmm. les euh, les 400 milliards. que le hmm. président de la République promet aux jeunes d'ailleurs le conseil présidentiel spécial de nga la dernière fois au niveau donc euh, de de Diamniadio. Euh, Réitérer na nous ñu wara créer donc euh, ay structures départementales c'est des maisons de la jeunesse. Mhm. est-ce qu'il y a une sorte d'ouverture bon ça parti pris hein. est-ce que a qu'à donner, parce que les gens sont sortis dans la rue avec beaucoup d'amertume que aujourd'hui président a gagné 400 milliards ko table ñu par rapport à que euh, les mandats. 2012 2019 2019 ba

yow nga xëy xëy rek dal ci benn xéewal yor sa benn un million cinq cent mille nga ne da ngay def ni moom boo demee jëndi boo ñëwee ku la xool sax nga ne ko jëlal ma lebal la. <laughs> kon te doo gaaw parce que amagoo clientèle <laughs> te kële quatre ans ngeen mi ngi ci. Mm-hmm. donc kooku xam nga président nga ñëw dolli ko ca doole ba mu amoon. Mm-hmm. mu yokk la muy def moo gën que kii tàmbali parce que toujours. nit ñi wax mën nañ ko mais porteur de projet yi tamit des fois du viable. parce que man damay jël benn exemple ah. man yàgg naa ko wax aussi. yàgg naa wax ni dans la commune de Bambilor yàgg naa ko wax le maire. parce que man maa fa njëkk indi financement wu 75 millions pour les femmes. ah oui tu dama leen doon wax ni leen même dans le cadre des jeunes aujourd'hui Bambilor de l'antan mais ñoom seen vocation agro pastorale la. kon tey ñun waroon nañu mëna am au moins 2 ou 3 hectares yo xamné duñ koy jël muré ko bam mu daj def ko ay enclos wut fa bloc administratif bloc technique recruter ben ingénieur élevage xalé 400 jeunes mëna ko jël ñuy dem dans le ferlo di jënd ay nag di ñëw di engraisser di jaay buñ ko défé 2 3 ans nous allons demander la délocalisation de la SERAS. c'est pas le cas avec les DAC. la SERAS non sans pour autant que ce soit la DAC mais initiative privée initiative personnelle bu commune bi la waron doon nga xam ne 400 jeunes. le DAC autant pour moi parce que c'est 400 jeunes laa la wax mën na leen insérer dans la dans dans dans l'embauche boobu it. Mhm. c'est des possibilités parce que ay montage financier la yoo xam ne. mais mais avec les les les projets immobiliers ya fay nekk est-ce que di ngeen dem sax ba amati espace. bu ngeen bu ngeen réserver ay enclos. pour pour le bétail. boobu quoi ba léegi ba jamono bi ñu fay nekk nii amoon na. c'est possible parce que mën nga gis benn nit bu nga xam ne par exemple dafa bëgg a terrasse toolam mais mairie bi mën na fa am deux hectares. d'accord mu jël ko antoni ko jox ko jeunes yi porte projet bi euh, au niveau du crédit agricole amal leen financement loolu fa yomb cest à am affaire bi tamit. Mhm. euh comme li ma lay wax rek dafa am ñu ko xam. te joxuñu len ko. waaw comme mu xol dal cadre de la volaille Sédima responsabilité sociétale bi nga xamni ne am na dans. dans la commune dans la commune de Bambilor. Mhm. mais tay aujourd'hui waron nañu mëna jappalé du bari ci walu jeune. c'est pas le cas. non c'est pas le cas parce que. jëluñu sax ay emploi wuñ ko ci ñoom. Ah, yéen wa conseil. cest dire ñun soxla emploi bi ñu soxla ci ñoom mooy mu financer nous les jeunes projet jeune projet jeune di le produit bi ci et c'est possible d'accord mais nous, ñoo koy sàkku alors euh, yëgsi nañu ci euh, cëppaandaw gi ci émission bi dafa gaaw ko ku

dossier bi saa buñ ci président de rectifier rectifier par le ministère de parce que le ministre des collectivités territoriales mais est-ce que non non non non le directeur de non intervenir na il a intervenu en direct 2014 projet de il a trouvé là-bas parce que Omar Gueye du def dara lo xam mengo wul ak li président bëgg projet bien dama la wax dafa sensible motax chaque fois président président moo suivre suivral boppam mhm. moo koy suivral boppam ba mom mo joxé da nga feu pour ni war ko def mhm. mais bu nit ñi yaakaar ni Omar Gueye moko ko phagocyté wala moko ko non non non parce que Omar Gueye aussi ministre de la République la mais il est sous la responsabilité du président donc xam na bu baax li def te nit ñi aussi nañ goree parce que fi mu jaar ci ministère yépp gis nañu ni muy liggéey ak ni muy doxé nekul nit ko nga xam ne dafay def lo xamné toujours des contrats avec les femmes déedéet ñaarël ba aussi nek na nit ko xamné peut-être lu bari ken mënu ko xam ci mom parce que c'est un homme bu nga xamné euh, euh euh ni muy ni muy comporté woo vraiment dignité daf ci am solo té mom comportement boobu dafa am solo ndax ma ngi rappelé wu ndaysan benn bis yag na ñuy mës di waxtaan mu ne ma Landing tu sais réew boo fa nekkee te nga ni vraiment ëllëg da nga war a doon kii fa mu ni ma naam mu ni ma dafa am loo xam ni da nga koy moytu ñu la ciy dégg moo tax bi problème mu kii bi amee problème sonko bi. Mhm. alors automatiquement j'ai pensé à ça. pour mhm. wax ni kilifa léeg-léeg mu wax la loo xam ni boo demee ba ci kanam da ngay gis li ndoy doon wax ni njëriñ la donc encore une fois. Euh, ñu ah yow fi def nga Omar Gueye un visionnaire. non c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire visionnaire. Ah, d'accord parce que Omar ne fait que traduire la volonté du président de la République. d'accord et il a toujours l'habitude de le dire. Mm-hmm. mais président nous dajé duñu ñëw puutu président wax devant tout le monde mu ni Omar Gueye du ma sa mais nak bu ñu defee lu ma wax ko. président c'est bon, Omar Gueye. maa ngi ci ci rajo ko partie de mes premiers ministres de mes meilleurs ministres. ah oui. waaw Abdoul Mbaye bindaat ci livre mu ni c'est le seul ministre boo xam ne boo wootee bureau 7h30. waaw dégg naa Assane. mu décroche téléphone am. Assane dégg naa Omar Gueye ministère am moo fay jiitu. boo wootee 7h30 laa mu décroche téléphone am loolu Abdoul Mbaye moo ko bind ci livre am. d'accord donc nekkul lu ma lu ma. ponctuel pragmatique pratique. donc daal encore une fois encore une fois. Mhm. may may woo ñëpp ci jàmm au calme. te yow may fàttali ne ci ñi ñi ñi d'accord ci ci ci euh, découpage bi nga bokk. ndax ci la bokk ndax man tey. parce que da nga ko rafetlu quoi da nga gis ne jaar na correction parce que man tey su ma vraiment ak sama bëgg-bëgg. moo doon tey le maire de Bambilor rapproché wu frère am ñu liggéey da même plus tard dans le cadre de la communalisation ñaari commune non parce que amu ci kuy demeurer. ah oui amu ci kuy demeurer. appel la boo koy def directement en direct. en direct amul ci kuy demeurer. loo koy wax nga ni. non dama ko ni su comme euh, mu rapproché frère mhm. vraiment beaucoup dans le cadre vraiment de l'inter de l'intercommunalité oui, parce que aussi tamit xam nga le premier responsable de la paix mhm. euh, dans lex de Sangalkam ma euh, may wax te def ma appel boo xam ne vraiment. ah c'est très noble mais c'est très noble et puis naka jekk nag naka jekk nag loolu laa mës di jouer. Mm-hmm. ma malgré malgré. équilibre boobu laa mës di jouer malgré les considérations. waaw mm-hmm. équilibre boobu laa mës di jouer. Mm-hmm. mais nag man li may wax man nit soo ma jàppee rek ma jàpp la. très bien. nit soo ma jàppee ma jàpp la. te nag wax dëgg yàlla département de Rufisque bi yow fi nga dëkk. mais gis nañ fi li fi amoon ak gis nañ fi li fi am ak gis nañ aussi depuis ministre bi yor département bi ak léegi. ministre bi bi mu yoree département bi ak léegi man de personnellement man amul réunion buy am ci département te du ma dem mais gis naa ne leadership am au niveau du département vraiment mate na ko lool. même gis naa récemment sax CCR bi sax commencé nañ changer attitude. waaw <laughs> ci moom. waaw mais xam nga loolu waral loolu. xam nga toujours xam nga toujours fii. Mm-hmm. Euh, daanaka gars yi fi nekk di wax ñu ci bari. Mm. xam naa leen bu baax. <laughs> mais man xam naa ni. <laughs> da a kaay dañuy wax rek la xam naa ni bi fi ministre nekkul woon. Eh. ak bi mu fi nekkee. Eh, am bu bari am na. maa lay gërëm di la sant. waaw changement bu bari dellu di la jaale ta sœur. waaw effectivement yaa ngi ñu doon informé tout à l'heure avant nga ñëw. metti na comme tu l'as si euh, metti na trop parce que bi ma ñëwee ba jib Jokko FM. waaw parce la demee lañ ah. ma xamal ni ma sama sœur bu ma bokkal ndey ak baay. topp ci man. waaw gagné na ñu ko ci morgue bi. Oh. nañ ko ci morgue en parce que aussi bobu temps fekk na accident ba bien sûr donc il fallait vraiment. mort. sa vraiment lu rafet. ndax tout à fait tout à fait te mm. la la parce que aussi tamit xam nga lii. Mhm. Euh, dafa dafa mort. Euh, dafa dafa dafa il le fallait ma ñëw daal. c'est ça ñu éclairer lu bari daal waaw parce que tamit. Euh, nit ñi nañ xam ne tamit euh, moi je pense que. mais leeral na si yow leeral na non leeral naa bu baax. parce que li ma gën a yaakaar rek mooy. àdduna ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk fi mais la tax ngay xëcc fa nga nekk di nga ko fa bàyyi dem. très bien après keneen mooy ñëwaat. Mhm. xam nga dafa am benn jour ma dajeeg benn baay ci commune Bambilor mu di ma wut pour signature ma dajeeg moom rek ma ne ko sëggal. mu sëgg ci digg gannaaw ci digg teg sa këyit après mun ma naa monsieur le maire jaaxam ma ne ko xam nga lan laay ñaan yàlla mhm. su ma fi ah, bi mu fi nekkee boo dajee ak moom sax mu ne la sëggal mais ça c'est une bonne impression donc nit ku nekk loolu lay ñaan yàlla mhm. te gis nga politique dafa am lu bari lu mu laaj fii département bi coow li moo bari rek mais gisaguma fi kenn koo xam am nga calibre ministre man laa personnellement nag parce que man mën naa nii ah, nii mais man personne lii dootul guitare xarab la. non non attention. <laughs> Ah, xam nga nee naa non de rawal c'est vrai. il faut nga xam ko ci nga effectivement. il faut ça da may mm-hmm. il faut nga xam il faut que nga xam ko ci man man expérience am j'ai vécu bah, mon grand-père était fonctionnaire mon père était fonctionnaire dama xam lu bari ci réew mi dem fu ne donc am na ci loo xam ne bu ma koy wax war naa am weesu ëllëg ma daje yow nga ne waaye monsieur le maire keroog loolu li nga waxoon ak daal benn <laughs> loolu il faut éviter. kontaan naa trop si ah, dalal la tey suñu émission n'est-ce pas Assane Ndour en tout cas daal maa ngi remercier vraiment surtout maa ngi remercier tous les conseillers vraiment le bloc de conseillers qui était avec moi. les les onze ah, ah, les dix plus yow waaw vraiment à une époque très difficile. ah vraiment parce que nit aussi dafa am moment bo xamné boy affirmer sa bop ñu ne nek lo mu ñëw jappalé la lool waroo ko donc lool moma surtout gëna a liewaat ak ñoom ma leen di gëreum di leen sante di gëreum aussi vraiment tous les conseils municipaux de Bambilor hein. de ma baye kenn di gëreum le maire di gëreum aussi vraiment le ministre Omar Gueye notre coordinateur départemental mm-hmm. euh, donc vraiment di gëreum tout le monde et lii nag euh, vraiment rafetlu naa ko parce que yeen wa joko aussi tay képp ku ngeen woo rek suy ñëw rek ñëpp dañ koy suivre. Mm-hmm. donc loolu aussi yàlla ko fi yàlla saxal. amiin kay amiin yàlla yàlla saxal. loo xam ne leadership département bi. Mm-hmm. bu nit bëggee wax loo xam ne askan bi dina ko dégg rek. mu waxee ko fi très bien loolu yàlla ko yàlla saxal. Mhm. yàlla ko yàlla nekkal. Mhm. te it am naa ci yaakaar trop. man nag sama bëgg-bëgg jamono bi mooy ministre Omar Gueye laa bëgg bu mënee nekk xam nga ndax yow bëgg ko démarche wala déedéet. pour lan pour mu pour mu ñëw fii. non non non non y' a aucun problème. incha allah y' a aucun problème on retient incha allah jërëjëf je serai ton interprète au président bu soobee yàlla kon kon rafetlu nañu jërëjëf merci. en tout cas parce que même ministre euh, ministre. Euh, euh, donc nous tous deux Ismaël Major est mhm. passé. Mhm. mon comme ni mhm. par rapport à que euh, nga même vraiment ñi ngi koy au passage. vraiment de nuyu aussi le président du conseil départemental. Souleymane Il a euh, qui a beaucoup marqué quand même l'évolution de la paire au niveau du département. très bien très bien ça il faut le comprendre. ok il a été mon mentor pendant des années. et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui li ñu bëggoon rek département bi vraiment parce que département bi aussi il faut ñu fàttaliku ni. Hmm, ministre bi fi kii ñëwee bi fi bi fi bi fi président de la république ñëwee. Mhm, ñun ñoo wax ñun ñoo ko wax ni ko. Mhm. bëgg un coordonnateur départemental en l'occurrence de Omar Gueye mu ne kon yéen a ko bëgg mu ne waaw mu ne kon nangul naa leen ko kon nag vraiment. ah même même si waa kër. Ah, ah. père Omar te dinaa la jox xam nga dama dafa am lu ma la fàtte wax benn anecdote oui bu doy waar parce que lu mu doy waar président conseil départ président kii président de la république du Sénégal bi muy ñëw fii. Mhm. ci conseil des ministre fii pour te dire sama loyauté maire dañu dafa convoqué benn réunion këram y avait beaucoup de mu ne ma ñaari accréditation la ñu envoyé pour ñu war a ñëw ci conseil des ministres benn bi yow benn bi man bi ma jëlee kàddu xam nga lan laa ko wax dama ko ni dell ma ko delloowaat accréditation ma ne ko man du dem ndax mu ne ma lu tax loo dem ma ne ko man damaa jàpp ne ah comme yow yaa ngi dem te yow dangaa bëgg maanaam lépp luy mobilisation nga confier ma ko pour lu teral man sama sama sama sama responsable man loolu kon man mun ma koo bàyyi kenn moo tax yow da ngay dem man ma gérer ko jour boobu il a pleuré parce que li ma ko doon wax dëgg la ci man man je suis naturellement comme ça. macha allah ba léegi jaaruma ci conseil des ministres ba mu waree recevoir responsable yi la ma recevoir.

jàmbaar woo ni la góor di mel faal góor bu doonee baayam tuumaam wàcc na faal may sa biige kumba faal yay setu ibra faal may sa